Génération FM. Mhm. La question revient toujours. guy malgré on gamme qui fonctionne, on on on on mi qui fonctionner on mais la question revient. quand -hmm. Légui la dañ ah. parce que Belfort

Je ne suis pas le plus intelligent dans le renouveau. Mhm. Je ne suis pas le plus beau. D'ailleurs, je suis le plus vilain. Vilain, <laughs> comme Voilà, donc je suis tellement vilain que <laughs> vraiment, dans le renouveau, il y a beau rek dans le CD. <laughs> Donc, euh, tout cela, euh, tellement euh, pour terminer le mandat de quelqu'un qui mhm. a beaucoup fait, pour le, renouveau Youssou Diassi. Donc, sur ma concentration, euh, lolu lay wa neteni ni suñu jógee ci ay détails awma jot Bob. Ma la priorité c'est de terminer le mandat de Feu Youssouf Diassi parce que j'ai été son premier vice-président mhm. fidèle à lui mu am confiance ci man bu mu dund lepp loko ki même su voyagé même su nekkee fi soo ko waxee mu ne leen premier vice président. Mhm. il avait tellement confiance en moi. Mhm. que suñu borom ñeu dogal encore mu joggé ci aduna ma remplacer ko pour. Euh, euh, à la tête de l'organe. Euh, me débrouiller de me battre conscience pour que vraiment phase régionale yi en conscience mhm. et que vraiment disna chaque année nous jouons nos phases régionales ba ñu amul di di prolonger ni gën neex ni di jouer ñu paré vraiment ay say gis seen mhm. responsable gis je pense que nous mo and résultat mhm. donc je pense que fu mu toll nii je ne dors même pas, je n'ai même pas le temps de manger correctement. Parce que ma priorité, c'est de réussir ces phases raisonnables. Mm. Maintenant, partout où je je dis aux gens, c'est une AIC qui m'a mandaté dans une zone. Mm. C'est une zone qui m'a mandaté dans l'Odega. Mm. C'est l'Odega qui m'a mandaté au niveau de l'Orga. Mm-hmm. su fora am président il faut ngeen waxtaan. demal waxtaan yi. demal waxtaan ndigal ngay xaar. ndigal lay xaar parce que je ne veux pas être en traite <laughs> parce que nit suñ la mes confiance yi jiital la il faut pas se lever aller prendre des initiatives yo xam. yondi wuñu la. Mm-hmm. parce que xam nga euh, mouvement nawetaan si tu penses que tu es le plus intelligent yow ya mom gaay da ngay nax sa bop ay ay kàngam ñoo ay directeur ay principal ay proviseur ay ñeneen ñeneen ñeneen ñoo xam eh, dañuy enseigner même université ñom ñoo tok ak sen bagage yi naka sin bu ma yow si tu penses que ñom ñu la jittelé da ngay jël décision à la à leur place numu la nexé franchement mm, yaay na sa bop dañ lay éliminer ñi tag ni ñom ñu continuer donc ce qui fait que je suis. pour le moment euh, là. pour le moment. lan mooy préparer. <laughs> Euh, mais j'ai dit aux gens tout va venir naturellement. ok Manac, euh, je prends l'exemple de mon de mon petit-fils le président de l'organe de Ziansor Abdou Abdou Sonko. au début on se parlait pas mais aujourd'hui manac Abdou Sonko on échange beaucoup donc c'est un pas bon c'est important dans les relations me dis ñu bëri gaan euh, on su ñi ñuy collaborer. maintenant lan moo tax ñun ñu jógee fale est-ce que loolu mu ngi foofu ba léegi gaan hmm. c'est des questions auxquelles il se il faut se poser. man su ma gënee gaan ma euh, ngi euh, tel tel tel service. Hmm. ma démissionné foofu dem feneen ñu ne ma ma dellu si waat service Bob. est-ce que lu tax ma démissionné mu ngi foofu ba léegi wala nekku fa c'est des questionnements yoo xam euh, bala ngay wax nit yi retrouver wala euh, euh, un couple bo xam dem nañu divorce bala ngeen di wax ñi dellu ci wat encore fay fay du ah? divorce ah? fay ak divorce bokul waaw donc ok donc euh, euh, il faut de voir euh, est-ce que euh, les conditions sont réunies ah. pour vraiment se Il y a des choses ah. en, amont d'abord. Voilà, il y a des choses qu'il faudrait régler pour qu'on pour là. Et je suis en phase de ceux qui ont appelé l'État du Sénégal vraiment à, à, voir hein, la, réorganisation. du, mouvement Navetan. Je pense qu'à ce niveau-là, l'État du Sénégal, si vous réorganiser le mouvement Navetan, c'est le mouvement Navetan. Génération Generation FM, the best radio.